le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum le forum le forum du le forum du le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires répartis sur l'ensemble du territoire nigérien et qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, le Forum a pour thématique l'exploration des petites filles dans les villes. Dans un premier temps, nous allons échanger sur les causes ou encore les origines du travail des jeunes domestiques. Ensuite, dans la seconde partie, nous parlerons des conséquences et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, nos invités vont proposer des pistes de solutions à explorer pour mieux lutter contre les abus et autres violences subies par cette couche fragile de la société nigérienne. Pour développer ce sujet, nous avons dans ce studio Alzoum Traoré qui est le chargé des programmes au niveau de l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales. Alzoum Traoré, bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Mohamedou Moussa, coordonnateur de l'association de lutte contre le travail des enfants Alten. Mohamedou Moussa, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Alou Issa Yaye, qui est sociologue. Alou Issa Yaye, bonsoir. Bonsoir. Chaque année, après les saisons de pluie, l'on constate un déplacement massif des jeunes, tous âges confondus, en provenance des villages vers les grandes villes. Parmi ces jeunes, l'on retrouve de nombreuses filles mineures qui pour des petits commerces, qui pour travailler comme domestiques, c'est-à-dire accomplir des tâches ménagères, une sorte d'assistance aux familles qui les engagent. Elles sont parfois exploitées, mal rémunérées, mal nourries et même humilié Mohamed Moussa, coordonnateur de l'association de lutte contre le travail des enfants Alten. Avez-vous identifié les origines ou encore les causes qui exploitent cet exode qui aboutit au travail domestique Bonjour. Donc, euh, vous parlez d'origine et de cause. Les origines, c'est que si on peut réellement résumer, il s'agit tout simplement de s'arrêter à la situation économique des familles. Je crois que c'est à partir de là que tous les raisonnements devraient découler, parce que euh, on n'a pas autre chose qui est qui est le grand support de ça que ça. Maintenant, les causes, c'est qu'elles sont, elles sont multiples, elles sont nombreuses. Peut-être qu'on aura le temps de ces débats avec les autres euh, qui sont là présents à développer toutes les causes possibles. Mais une des causes, c'est la défense du système éducatif. Une autre cause, c'est la défaillance de l'encadrement social. Je crois qu'à partir de ces deux causes également, on peut euh, développer toutes euh, les théories possibles pour voir dans quelle mesure on peut cerner ce problème-là. Peut-on parler à ce niveau d'exploitation des enfants Bon, vous savez, le terme exploitation, dans l'absolu, on ne peut pas le rejeter tout comme on ne peut pas le mettre en avant, puisque elles viennent volontairement, elles viennent dans un cadre organisé, et la finalité, c'est que c'est elles qui repartent avec le revenu qui est issu de ce travail qu'elles font. Donc, euh, il faut excuser ça avec euh, circonspection pour voir dans quel cas il s'agit d'exploitation, dans quel cas il ne s'agit pas d'exploitation. Mohamed Moussa, est-ce que le travail de ces jeunes domestiques peut être considéré comme étant un travail des enfants Bon, vous savez, la problématique du travail des enfants repose sur un texte de portée internationale qui est la Convention 182. Et dans la Convention 182, elle cite principalement quatre situations. Première situation, l'esclavage. Est-ce que ces enfants-là sont en situation d'esclavage On peut dire non. Deuxième situation, c'est les enfants qui sont exploités dans euh, les situations de pornographie et euh, tout ce qui peut se rapporter à la sexualité. On ne peut pas dire dans l'absolu que c'est non, mais on sait qu'en grande partie, ces filles-là ne sont pas exploitées sexuellement. Sont-elles exploitées dans les conflits armés Également, on peut dire non. Sont-elles exploitées dans des situations dangereuses ou dans des euh, situations où elles violent la loi, telles que la vente des produits illicites On peut également dire non. Donc vraiment, on peut penser qu'il ne s'agit pas d'exploitation des enfants dans ce cas-là. Alzuma Traoré, chargé du programme à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Comment votre ONG aborde-t-elle la question du travail des enfants domestiques Merci. comme euh, M. Mohamed Moussa l'a dit, c'est un phénomène quand même qui est très complexe. Mais nous, en tant qu'ONG qui intervient dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard de, de la femme et de l'enfant, il y a certains aspects quand même qui nous interpellent. Notamment, c'est ce phénomène d'exploitation des enfants. Parce que parmi les jeunes domestiques qui viennent, c'est vrai, il y a des mineurs. Et ces mineurs, normalement, leur place devrait être à l'école. Donc là, eh, ça dénote un peu ce désistement-là de l'État, si je peux le dire, par rapport à la scolarisation des enfants. Normalement, c'est des enfants qui doivent être à l'école, mais qui se retrouvent dans la rue ou bien dans les maisons à faire des travaux. Donc vous voyez, de ce point de vue, ça nous interpelle. Mais aussi, ça nous interpelle euh, à un certain nombre de niveaux aussi. C'est surtout quand il s'agit des cas d'exploitation. C'est vrai, parmi ces, jeunes qui viennent, il y en a qui sont exploités. Exploités économiquement parce qu'elles n'arrivent pas à avoir ce, normalement ce qu'elles doivent avoir quand elles travaillent. Et c'est des, des jeunes qui sont surexploités parce que pratiquement deux fois, elles n'ont même pas de temps de repos. Beaucoup de temps de repos, elles travaillent à longueur de journée. Donc vous voyez de ce point de vue, en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme, ça nous interpelle. Mais aussi, eh, il y a des cas aussi qui nous sont rapportés où ces jeunes filles-là sont victimes d'abus sexuels, même deux fois, par leur, euh, ceux qui les engagent ou bien par d'autres personnes dans les milieux où ils vivent. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui que nous, nous pouvons eh, nous sentir interpellés par rapport à ce phénomène et que nous sommes en train de voir avec les, ONG qui interviennent dans le domaine, comme l'ONG Alten, donc de voir quelles sont les mesures que nous pouvons envisager pour euh, essayer de réduire ce phénomène de, migration des jeunes des, villages vers les grandes villes. Alzuma Traoré, vous l'avez rappelé, la plupart de ces jeunes domestiques ne savent ni lire ni écrire. Est-ce là une source de préoccupation nationale oui, c'est une source de préoccupation nationale du moment où aujourd'hui l'État nigérien est en train de tout faire pour que pour rehausser un peu le niveau de scolarisation des, jeunes filles, des jeunes filles et surtout même des, enfants d'une manière générale. Et vraiment, je pense que tout cas de déperdition scolaire peut être envisagé comme étant eh, une préoccupation pour l'État. Le, problème, ce n'est pas la scolarisation, c'est le, le, maintien des jeunes filles, surtout à l'école. Oui, le problème se pose à ces deux niveaux. Aujourd'hui, il y a un problème de scolarisation qui se pose, même si par ailleurs les tendances sont en train d'être renversées, mais aussi et surtout le, problème de maintien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont inscrites à l'école mais qui n'arrivent pas à continuer leur études tout simplement pour des raisons de fois économiques et de fois aussi pour des raisons sociales. Donc tant qu'on n'agit pas sur ces facteurs-là, je pense que on aura toujours ces problèmes qui vont envahir nos sociétés. Est-ce que vous collaborez avec le gouvernement dans ce sens-là oui, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre euh, d'une stratégie nationale euh, de l'État. Mais je pense que par rapport à, ce phénomène de, travail des enfants domestiques, euh, je pense que la personne aujourd'hui l'a mieux indiquée de, nous parler de ce cadre juridique au niveau national. Ça sera Mahmoud Moussa, qui est de l'ONG Alten, qui est une ONG spécialisée dans le domaine. Issa Yaye, vous êtes sociologue. Dans la plupart des cas, le travail de ces jeunes domestiques constitue l'espoir de certaines familles. Faut-il interdire ou encourager ce travail des jeunes domestiques Je ne dirais pas euh, d'encourager, mais je pense que fondamentalement, ce qu'il faudrait faire, c'est beaucoup plus de sensibilisation pour que les uns et les autres puissent savoir un peu les tenants et les aboutissants de la problématique ainsi posée. En plus, peut-être je reviendrai sur le terme même travail, euh, sur le contrôle de euh, Moussa, Oui, je ne pense pas que euh, peut-être euh, que ce le cas de figure actuelle puisse être considéré comme étant du travail, parce que en ce qui concerne la convention collective, je pense que le travail il est réglementé. Il y a un minimum d'horaire, peut-être 8 heures de temps au maximum de travail il y a, des repos, un week-end, et il y, a, un salaire minimum qu'on appelle le SMIC, au moins qu'on doit bénéficier. Or, en ce qui concerne ces jeunes filles-là, pratiquement tout ceci n'existe pas. Au minimum, pour toutes ces jeunes filles-là, elles ont au-delà de 8 heures de temps de travail. Elles ont euh, un salaire au grand maximum qui tourne autour de 20 000 francs. 8 000 francs pour certains. C'est pourquoi j'ai dit au maximum. Il y a celles qui sont euh, employées avec moyen euh, moyennant 5 000 francs. Euh, la fin du mois. Et avec euh, des horaires de travail de 6 heures jusqu'à minuit ou 23 heures. Le contrat verbal Merci. Aucun papier qui justifie le travail. Donc, par conséquent, je pense que on ne va même pas travailler, parler de terme travail en ce, euh, dans, à ce niveau-là. Pour revenir maintenant à votre question, je pense qu'il faudrait beaucoup plus sensibiliser les, familles d'abord au village afin que les uns et les autres puissent comprendre les enjeux. Parce qu'en général, c'est quoi On a une certaine fierté lorsqu'on est dans une situation de paupérisation générale fierté d'avoir un enfant qui part euh, en ville, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est en train d'exercer euh, mais l'essentiel, le résultat, qu'il puisse apporter quelque chose. Même si c'est un 5 000 à un 10 000 qu'il envoie à ses parents au village, eh bien, c'est une fierté. Et surtout lorsqu'elles retournent, elles vont retourner avec euh, un certain nombre des habits, un certain nombre d'objets, de, maquillage, de luxe. De venant de la ville, elles vont rentrer, mais c'est une fierté de la famille. Et vous allez entendre partout, on va dire, c'est une telle qui est arrivée, voici ce qu'elle a amené, c'est des cadeaux pour vous, pour si. Donc, quelque part, au niveau euh, communautaire, il y a une certaine réjouissance à la limite entre griffes, vraiment, de, de l'acte malheureusement posé par la fille. Or, ils ne savent pas les dangers auxquels la fille a été confrontée ou elle a vécu avant d'avoir ce minimum-là, qui est quasiment rien par rapport à toutes les souffrances, les peines, les violences verbales, psychologiques qu'elle a dû endurer au moment où elle était en ville. Donc, l'un de l'autre, vraiment, euh, il faut beaucoup mettre l'accent sur la sensibilisation au niveau des parents afin qu'ils puissent comprendre. Peut-être, en ce moment-là, ils vont essayer d'avoir moins de fierté. Parce que je suis convaincu, aucune famille ne sera fière d'avoir une fille entre griffes prostituée et qui lui amène l'argent, le fruit de cette prostitution-là. Aucune famille ne sera fière d'avoir une fille qui va partir passer deux mois, trois mois en train de souffrir, subir toutes les, violences qu'on vient d'énumérer et être fière du de, fruit de ce rendement-là. Donc l'un de l'autre, vraiment, lorsque les parents, les familles seront suffisamment informés, sensibilisés, je pense que vraiment, il y aura moins de cas comme ça. Alou Yaye, la majorité de ces filles domestiques sont très mal rémunérées, vous l'avez dit. Même dans le cas où ça tombe régulièrement, comment l'expliquer oui, c'est parce que en fait, euh, en ce qui concerne euh, la convention collective, il n'y a, pas de réglementation poussée à ce niveau-là c'est un contrat, comme vous l'avez dit, verbal, qui se passe entre euh, la petite fille et son employé. Donc, peu importe, il t'a dit, tu es d'accord, toi tu es venu du village. On t'a poussé à la limite à venir. Et tout ce que tu vois, le plus important, c'est que à l'issue de ces 4-6 mois-là que tu auras à faire, de ramener quelque chose chez toi. Donc, les conditions, peu importe. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas en possibilité de négocier des contrats. C'est des mineurs. Donc, par conséquent, c'est pourquoi j'ai dit vraiment le terme travail doit être ôté. On va peut-être parler beaucoup plus d'exploitation ou de maltraitance des enfants. Coordinateur euh, Moussa, peut-on parler à ce niveau euh, du travail des enfants Bon, vous savez, le terme de travail des enfants est extrêmement complexe puisque il repose sur euh, deux concepts qui se chevauchent. Le concept tout à fait ordinaire de l'utilisation du terme qui signifie le travail fait par une personne âgée de moins de 18 ans, dans le sens de la plupart de toutes les conventions, et le concept du BIT, qui signifie exploitation des enfants. Quand on prend le euh, contexte tout à fait social de l'utilisation de tous les jours, le travail des enfants n'est pas un crime en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs perçu dans certaines situations comme des aspects de valorisation. Parce que lorsque l'enfant, la seule offre qu'il a eue, c'est celle de rester chez lui jusqu'à un certain âge et d'aider les parents à aller au champ, le champ a une limite de temps. Ça se passe pendant une période donnée. Et même dans cette période, il y a des activités dans lesquelles on met l'enfant du point de vue de sa morphologie, de sa capacité de faire quelque chose. Mais après ce temps-là, pour les villages qui sont dans les proximités des grandes villes, le travail-là, dans ce sens-là, est perçu comme euh, une, panacée pour l'enfant. Parce que, un, il est soustrait de la consommation du grenier familial. Deuxièmement, il il est soustrait de la consommation des biens qui sont là, que ce soit euh, tout ceux que la famille possède, combien l'enfant là est soustrait. Donc il se retrouve dans un autre univers où, en plus du fait qu'il ait une sorte de revenu mensuel, même si le revenu est dérisoire, il est quand même dans, un, dans, une, dans une ambiance où il ouvre les yeux, comme on dit ça lui permet de voir l'évolution de la société. L'émancipation. L'émancipation, ça l'émancipe dans une certaine mesure. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le travail est quand même un peu valorisant pour l'enfant. Et d'ailleurs, vous savez, hein, euh, aujourd'hui, le BIT, le Bureau international du travail, est en train d'engager des processus dans le sens de prendre en compte l'économie informelle, puisque ces enfants-là, ils travaillent dans l'économie informelle. L'économie informelle, même si elle n'est pas réglementée ou régentée par... Ou encadrée ou encadrée, si vous voulez, par les textes nationaux, internationaux ou nationaux, par rapport euh, au travail, donc le Code du travail, la Convention collective. Mais dans une certaine mesure, l'économie informelle est acceptée aujourd'hui, parce que vous avez des syndicats de l'économie informelle. Et ces syndicats-là, ça regroupe les travailleurs qui eux-mêmes sont d'accord d'être en marge du système euh, normal qui consiste à faire un contrat de travail, à avoir des horaires de travail et tout ça. Donc je dis, il faut prendre ça avec, il faut nuancer. C'est vraiment euh, difficile de rejeter ça comme euh, étant de l'exploitation ou de le mettre aussi comme étant un travail parce que eh n'ont ni contrat de travail, ni salaire décent qui peut être aujourd'hui considéré comme le salaire minimum qui a été retenu par l'État. Mais les patrons qui les utilisent dans ce cas-là considèrent que ce qu'on leur donne en nature est considéré comme une partie du salaire, puisque ces gens-là, ils sont nourris. Parfois, celui qui est payé au CIMIC pour se nourrir, un mois, il a des problèmes, tous les problèmes du monde. Donc, disons que aujourd'hui, si euh, nous, en tant qu'ONG, on peut faire une recommandation à l'État, euh, on sait que la Convention 189 a été adoptée. il y a des solutions à proposer dans ce sens. Rapidement, si vous avez quelque chose à ajouter, on, va aborder le forum. Rapidement. Je vais parler un peu du phénomène. Parce qu'en dehors même de ces jeunes filles qui viennent volontairement et euh, travailler ici dans les villes, vous savez, ça a été, il a été aussi développé euh, un circuit de placement de ces jeunes filles-là. Il y a des, des gens qui sont bien assis ici, qui font venir les enfants, qui les accueillent et qui les placent. Maintenant, vous voyez, c'est comme s'ils sont des intermédiaires. C'est eux qui vont prendre les salaires et, ils vont sous-traiter. C'est comme une sous-traitance avec. Donc vous voyez, là, ça met encore beaucoup plus dans une situation de précarité ces jeunes qui sont venus à, la recherche du travail. Donc euh, je pense que c'est un problème qui doit être abordé avec beaucoup de sérénité parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui entourent ce, ce phénomène de travail des enfants. Alou Issayaye, vous êtes euh, sociologue. Quelles sont les conséquences du travail de ces jeunes domestiques euh, dans le développement socio-économique euh, pour un pays pauvre comme le nôtre Les conséquences sont vraiment énormes parce que ces enfants, jusqu'à peut-être l'âge de 18 ans, selon la politique de l'État, devront être à l'école. Malheureusement, elles ne le sont pas ou ne le sont pas. Ils sont en ville en train de travailler avec tout ce qu'on avait énuméré comme souffrance, comme peine liée à ça. Donc ça, c'est des pertes à la longue. Et ensuite, euh, nous avons vu euh, en termes de violence, les violences euh, psychologiques, les violences physiques peuvent également avoir des conséquences énormes sur l'individu parce que ça rabaisse l'homme au statut à la limite de moins qu'une bête. Lorsqu'on est appelé à travailler pendant plus de 12 heures de temps, sans repos et on est véritablement exploité. Je reviens vraiment sur le terme. Hein, depuis des explications que <laughs> Moussa a données, je pense que quelque part, il faut vraiment qu'on ait ce courage de, de parler de l'exploitation de ces enfants. Or, je ne pense pas qu'on puisse mettre au monde un enfant ou une société puisse accepter que ces enfants soient exploités. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures pour pallier à cet état de fait. Et en plus, il y a euh, une autre conséquence, c'est lié au niveau de la santé même, physique de l'individu, parce que euh, je parle sur le contrôle du euh, mon collègue J'ai l'habitude de voir des images des jeunes filles domestiques qui ont été battues et qu'ils ont montré à la télé pour voir vraiment l'extrême violence avec laquelle parfois dans certains foyers ces jeunes filles-là sont traitées. Au-delà de tout ce qui est paraît vraiment négatif, il y a euh, les conséquences un peu, si vous voulez, entre griffes positives. Comme on vient de le dire tout de suite, il y a une sorte de fierté parfois au niveau du village. Lorsque ton enfant arrive en ville, malgré les conditions, on fait vraiment table rase de ça, mais qu'il soit à mesure de se prendre en charge et surtout d'être un acteur économique au niveau de la famille parce qu'il va envoyer, il peut venir avec des choses. Là, ça crée une sorte de fierté. Et ces gens, quelque part, sont émancipés, ces gens-là sont émancipés parce que, vous savez, quelque part, l'être humain, il a besoin des obstacles pour pouvoir évoluer des fois. Donc euh, l'existence de ces obstacles qu'ils vont rencontrer dans la vie et surtout les stratégies qu'ils vont pouvoir développer pour surmonter peuvent vraiment être capitalisés comme étant positifs. Et euh, l'autre aspect également lié à la pauvreté, parce que le plus souvent, l'une des raisons, on vient de le dire, c'est la pauvreté qui les pousse à venir en ville, mais il y a ce qu'on appelle la résilience. Donc le fait qu'ils viennent en ville crée euh, un minimum les permettant de, de pallier au manque peut-être parfois de la subsistance au, village ou à la mauvaise pluviométrie qui a eu des conséquences au niveau des récoltes, eh bien, l'existence de ces enfants-là dans les centres urbains peut pallier quelque part à ces aspects. Donc, l'un de l'autre, vraiment, au-delà de l'aspect négatif, euh, si on, réfléchit un peu plus, on constate que vraiment, il y a des aspects positifs. Et c'est derrière ces aspects positifs qui les poussent à venir. Sinon, si c'est rien que du mauvais, ça fera longtemps peut-être que le, le travail allait s'estomper de soi. Louis en termes d'aspect négatif, il y a beaucoup qui repartent à la maison avec euh, des grossesses. Malheureusement, malheureusement, le cas est, très fréquent parce que euh, le plus souvent, lorsqu'elles viennent ici, euh, elles se prostituent à la limite. Parce que ce qu'elles ont comme salaire, entre griffes, est extrêmement dérisoire au point où elles sont obligées pour compléter et surtout le regard de la société, parce que la communauté qui t'a envoyé ou la famille qui t'a envoyé attend quelque chose de toi. Je me rappelle, j'ai vu un, jour, j'ai parlé avec une bonne qui me disait qu'il y a son grand frère qui doit, son petit frère qui doit se marier. Et pour ça, là, il y a une charge qu'on lui a attribuée en tant que fille qui est venue en ville travailler. Donc, voyez-vous, mais ce qu'elle gagne, à la limite, c'est 10 000, 15 000 francs. 15 000 francs, qu'est-ce qu'elle peut économiser pour appuyer un mariage au village Donc, quelque part, vraiment, cet élément-là les amène à chercher des petits copains par-ci, par-là, en fin de compte. Il y a certaines aussi, quand elles prennent le goût citadin, c'est pas facile euh, qu'elles puissent rester retourner. En, retourner. <laughs> Non, euh, même rester euh, au village encore. Oui, elles ont du mal. D'autres, elles ont du mal carrément à retourner, mais celles-mêmes qui retournent, après quelques instants, elles vont revenir parce que tout simplement, elles ont pris goût au-delà de, de, vraiment de, certaines peines. Et à la longue, vous allez le voir, elles vont finir par s'extraire du, du, du, système de, de domestique pour devenir véritablement des véritables euh, prostituées entre griffes parce qu'elles seront indépendantes et elles vont exploiter leur corps pour pouvoir euh, survivre et et appuyer la famille au village. Mohamed Moussa, euh, coordonnateur d'Alten, euh, est-ce que vous avez d'autres conséquences euh? Non, les conséquences sont nombreuses. Vous savez, ce n'est pas parce que les filles s'en sortent qu'il faut en être fier, pas du tout. Parce qu'un enfant qui n'a pas été à l'école et qui vit au village, malheureusement, nous sommes dans une situation d'indigénation permanente. C'est que la personne reste indigène jusqu'à peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que la contribution à l'économie qui se fait à travers l'élévation du niveau des connaissances, elle ne fait pas partie. La personne est soustraite de cette euh, dynamique-là. Donc l'État perd, le pays perd. Et chaque fois, l'État est en train de faire des efforts pour que celui-là, qui n'a pas été servi par l'école à un certain moment, qui aurait pu être un jour un ingénieur ou être un médecin ou être euh, en tout cas une personne d'un certain niveau, qui se retrouve dans une situation permanente d'indigénation. Permanemment, il cherche à manger, permanemment, il cherche à survivre. Donc je dis que ne faut pas s'en féliciter. Hein. C'est c'est globalement mauvais pour le pays. Mais euh, disons que si on est en train de dire que quelque part ça permet de résoudre un problème, il ne faudrait pas qu'on s'en contente pour ne rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir pour lutter contre la pauvreté. Il faut agir pour lutter pour l'éducation des enfants. Il faut agir pour que l'État soit présent, pour qu'il accompagne les enfants venus au monde. Parce qu'un enfant qui vient au monde et que l'enfant ne sait, l'État ne sait pas où il se trouve, quoi il fait, ce n'est pas une bonne chose pour un pays. En Europe, si les gens se sont développés, c'est tout simplement parce qu'ils ont établi un état civil et un état de suivi de chaque enfant jusqu'à, en cas, sa mort. Voilà. Mohamedou Moussa, coordonnateur de l'association de lutte contre le travail des enfants. En cas d'abus contre ces jeunes domestiques, que disent concrètement les textes Non, vous savez, les textes ne s'adressent pas aux jeunes domestiques, ils s'adressent à la population les habits qu'on observe, ce n'est pas envers les, enfants travailleurs domestiques, c'est envers les enfants de manière globale. Les violences, c'est envers aussi les enfants de leur globalité. Vous avez des parents, géniteurs, qui subissent, font subir des tortures à leurs enfants. Les images qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas seulement des enfants domestiques qui sont victimes, c'est tous les enfants qui sont victimes. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est de contenir la violence dans sa globalité, faire en sorte que la société soit moins violente, moins nerveuse, euh, moins stressé. Parce que le stress en, en soi peut conduire à l'énervement, peut conduire à la violence. Donc, c'est vraiment un cadrement, social global qu'il faut euh, engager pour que les enfants soient soustraits de la violence. Parce que lorsque les enfants sont soustraits de la violence, peut-être que la mère est soustraite, peut-être que même le père est soustrait, peut-être que le citoyen lui-même il est soustrait de la violence de l'État. Donc globalement, je crois que c'est contre la violence qu'il faut, avec un grand V, qu'il faut, euh, qu'il faut lutter. Mohamed Moussa, quelle est la responsabilité des parents de ces jeunes domestiques dans l'exploitation de leurs enfants Bon, vous savez, la responsabilité d'un parent est engagée à partir du moment où l'enfant vient au monde, au monde. Et malheureusement pour nous, nous sommes dans un système précaire où les parents, que ce soit ceux qui ont les moyens, que ce soit ceux qui ne sont pas dans les moyens, se trouvent dans des situations où faire un, un tracé, un, tracé de carrière à l'enfant devient difficile. Et ce, que, ce qui est souhaitable, c'est que les parents puissent dès avant la naissance de l'enfant, déjà savoir qu'il a un tracé bien défini, qu'il va aller à l'école, qu'il va aller peut-être au lycée, il va aller peut-être à l'université, il va aller chercher un emploi et un jour, il va aller s'établir pour poursuivre euh, les générations qui viendront euh, après lui. Peut-être que les parents, eux, ils seront un, jour appelés à ne plus être là. Voilà un peu le schéma dans lequel chacun de nous, en tout cas, doit penser et on doit mettre chaque parent dans la situation de pouvoir penser ça. Et je crois que tous les programmes qui sont en train de se développer par rapport à la dividende euh, démographique, c'est ça. C'est que les parents soient responsables, c'est tout. Ce n'est pas de faire moins d'enfants. Faites ça si vous voulez, mais faites ça dans le cadre où vous pouvez leur tracer un plan de carrière de leur vie pour qu'un jour, quand vous partez, ils continuent dans l'honneur et la dignité à faire euh, poursuivre, je veux parler en termes médical, vos gènes. Alzuma Traoré, chargé de programme à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, quels sont les outils ou supports que vous utilisez pour protéger ces jeunes domestiques Bon, comme a eu à le dire euh, M. Mohamed Moussa, la protection là, elle est d'ordre général, elle ne s'adresse pas uniquement aux jeunes filles domestiques, même si il constitue quand même euh, aussi euh, un monde à part. Mais quand même, en termes de protection, c'est tous les enfants donc, et toutes les, jeunes filles et femmes donc, qui sont protégées par euh, les lois nigériennes. Notamment, et on a évoqué tantôt l'aspect violence physique exercée sur ces jeunes domestiques ou bien les harcèlements sexuels, les viols dont elles sont victimes. Là, nous avons des textes quand même qui sont là, le code pénal est là. Donc, euh, en ces articles 283, 284 et 285 qui répriment les viols et, les, certains délits connexes au viol. Donc, euh, en termes de protection, je pense que euh, nous avons quand même un, un, arsenal juridique conséquent par rapport à cela. Mais le plus gros problème, c'est surtout au niveau social. Parce que euh, vous savez que. Au niveau social, vous parlez de l'application intégrale des textes pas même l'application, c'est que c'est le contexte nigérien qui est un peu particulier. Parce que on a vu euh, ce qui peut aujourd'hui, ou bien qui favorise la venue de ces jeunes filles domestiques dans les grandes villes, c'est surtout un problème euh, de pauvreté. Parce qu'elles pensent qu'en venant dans les grandes villes, et c'est même pas qu'ils pensent, c'est qu'ils ont vu certains venir et retourner au village avec euh, quand même certaines choses, de l'argent ou bien certains biens. Et tout le monde veut aussi venir ou bien voir son enfant venir en ville travailler pour, pour gagner cela. Et ils ne savent pas dans quelles conditions ces jeunes-là travaillent. Et on a vu aussi des. Ce pas toutes les personnes quand même qui ont la même chance quand elles viennent. D'autres gagnent facilement à travers le travail qu'ils font, mais d'autres, s'ils n'arrivent pas à, avoir de l'argent, ils sont capables de faire beaucoup de, de choses qui ne sont pas dans les normes pour gagner de l'argent. Et c'est à ce niveau-là que c'est vraiment déplorable. Mais de l'autre côté aussi, on a évoqué tantôt euh, certains aspects quand même qu'on peut dire positifs. Moi, je dirais par exemple, je préfère mieux les jeunes qui viennent travailler pour gagner de l'argent que ces jeunes qui viennent mendier. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous sortez dans la ville de Niamey, le phénomène de mendicité des enfants prend de l'ampleur. Mais là, là c'est vraiment déplorable. Parce que non seulement ces jeunes-là ne sont pas à l'école, ces jeunes-là ne travaillent pas, donc ils mendient et en même temps, ils profitent aussi pour faire des petits vols. Donc vous voyez. C'est un danger pour la société. C'est vraiment un danger pour la société. Et si on doit faire la comparaison, donc mieux vaut que le jeune vienne travailler pour gagner à la sueur de son front que d'aller mendier ou bien aller voler. Donc vous voyez, le problème est vraiment très très complexe. Et l'avenir, je ne dirais pas que l'avenir est sombre pour les jeunes, mais quand même, tous les paramètres sont vraiment au rouge au Niger. Traoré, au niveau de votre structure, comment s'est fait la prise en charge des enfants victimes d'abus Bon, la, prise en charge, euh, le schéma, il est connu. Donc, euh, quand nous recevons des jeunes euh, enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont victimes d'abus, d'abord, c'est l'accueil, l'écoute et l'évaluation des besoins de cette personne. Et maintenant, à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui peut être fait pour que cette personne-là puisse entrer dans ce droit et sortir de la situation dans laquelle elle vit. Et ça, ça peut aller de la prise en charge psychologique, donc euh, la prise en charge euh, médicale, l'accompagnement juridique et judiciaire. Quand c'est un cas qui nécessite vraiment d'aller au niveau des juridictions, euh, on fait cette appui. Et aussi l'appui à la réinsertion socio-économique. On a eu beaucoup de cas de, jeunes filles qui ont fui leur village pour venir travailler ici, qui ont fui des situations, par exemple, de mariage forcé et précoce, qui viennent ici en ville pour euh, trouver du travail. Des filles de 10 ans, 11 ans, vous allez les voir. Et des fois aussi qui sont victimes de certains abus. Donc, en ce moment-là, nous, quand on a ce genre de situation, euh, on essaie de les accompagner et de voir euh, comment aussi organiser le rapatriement de ces jeunes filles-là dans leur milieu d'origine et avec leur famille, donc de voir comment les faire retourner. Et surtout aussi, si c'est un problème économique qui se pose, voir dans quelle mesure accompagner la famille de ces jeunes filles-là pour qu'ils puissent exercer des activités génératrices de revenus. bon, c'est toujours en fonction de, ce que nous avons, parce qu'aujourd'hui, eh, les partenaires ne sont pas très enclins quand même à, à abonder dans ce sens, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il ne suffit pas toujours d'empêcher, d'empêcher, mais il faut créer les conditions aussi pour que ces jeunes-là restent dans leur village, pour qu'ils puissent aller à l'école ou bien rester dans leur village pour faire en tout cas des choses qui vont être beaucoup plus bénéfiques à eux que de venir dans les grandes villes. Nous en arrivons à la troisième et dernière partie de ce forum du studio Kalangu qui consiste à explorer des pistes visant à mieux protéger ces jeunes enfants, notamment dans les ménages euh, Rapidement, proposez-nous des solutions, Mohamed Moussa, coordonnateur d'Alten. La première solution, c'est qu'il faut renforcer le système éducatif. Il faut tout faire pour que l'école prenne en charge la totalité des enfants. Deuxième chose, il faut euh, renforcer l'encadrement social par l'État. Il faut que l'État enregistre tous les enfants. Il faut que l'État sache où ils sont. Il faut peut-être créer un grand répertoire national qui permet à chaque euh, structure administrative d'encadrer à 100% sa population pour savoir exactement dans quelle situation sont les enfants. Il faudrait faciliter l'accès aux revenus à tous. Parce que tant que les parents n'auront pas de revenus pour euh, faire face aux besoins familiaux, eh ces défaillances là vont toujours se poser. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut accepter euh, l'indigénisation des enfants ou d'une population je sais que c'est euh, difficile pour euh, un pays pauvre sans ressources particulières de faire quelque chose, mais les efforts qui sont en train d'être faits, il faudrait qu'ils soient renforcés dans le sens de donner plus de capacité économique aux parents, de donner plus de capacité d'encadrement des enfants aux parents. Parce que tant que cette partie va être défaillante, eh bien, quoi qu'on fasse, puisque l'enfant a une racine qui ne le quittera jamais, c'est la racine de ses parents géniteurs. Donc, à partir du moment où euh, cette faille-là et laisser, euh, on crée beaucoup de problèmes puisque l'enfant qui sera en ville va être un enfant non seulement de la rue, dans la rue, mais finalement un enfant dans la rue. Et un enfant dans la rue, c'est un danger pour l'ensemble de la société. Il faudrait forcément renforcer tous ces systèmes d'accompagnement de l'enfant. Alou vous êtes sociologue, proposez-nous quelques pistes de solutions. Euh, les solutions sont vraiment, entre autres, comme Moussa l'avait dit, il faut euh, renforcer le système éducatif il faut, au-delà des mots. Scolariser et maintenir ces jeunes enfants. C'est ce que j'allais dire. Au-delà vraiment de, de, de, la politique ou des mots, il faut vraiment, dans le concret, qu'on puisse constater que l'ensemble des Nigériens euh, arrivent à être à l'école et surtout qu'ils soient maintenus jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça va réduire conséquemment le flux de ces jeunes euh, euh, qui viennent euh, en milieu urbain. L'autre aspect, c'est vraiment lutter contre la paupérisation la de la population, la pauvreté ambiante que nous connaissons, même en milieu urbain, à plus forte raison en milieu rural. Donc il faut vraiment appuyer. Eh, L'État doit créer un système ou un mécanisme, en tout cas, euh, pour appuyer la population à trouver d'autres sources de revenus. Malheureusement, plus de 80% de notre population euh, n'a rien que le champ, n'a rien que le petit bétail. Donc il faut qu'on dépasse cet état de fait il faut qu'on arrive à, amener les Nigériens à se prendre en charge à travers autre chose, autre mécanisme. Puisque si l'élevage, l'agriculture ne donne pas, surtout l'agriculture liée seulement à la saison de pluie, mais il faut créer d'autres mécanismes pour que les gens puissent véritablement euh, se prendre en charge. Et l'autre aspect, c'est vraiment de revoir euh, le système de socialisation même il faut euh, que les parents soient beaucoup plus vigilants dans le cadre de transmission des valeurs un certain nombre de valeurs sociétales aux enfants. Vous parlez, de la modernisation sociale comme <laughs> euh, disent les autres <laughs> Non, je ne sais pas si c'est la modernisation ou pas, mais qui est sûr en tout cas, il faut prendre les dispositions pour que le système de socialisation puisse fonctionner au maximum. Parce que dans ce monde-là, au-delà du, du matériel, ce qu'on peut léguer à l'enfant, c'est vraiment la bonne éducation, l'éducation de base. Or ça, ça repose fondamentalement sur les parents. Donc, mais malheureusement, de plus en plus, nous constatons que les parents n'ont plus ce temps pour transmettre les bonnes valeurs aux enfants. Or, tant qu'il y a dysfonctionnement, parce que c'est quoi Le système de socialisation aboutit, comme il vient de le dire autrement, en tout cas, il aboutit à avoir un enfant responsable demain. Parce qu'il y a les valeurs, parce qu'il y a les normes, et enfin, il y a le rôle socialement que l'enfant là aura à suivre et à, exécuter. Il suffit juste d'avoir un œil, un suivi régulier pour que ces différentes étapes-là de socialisation de l'enfant puissent les accomplir afin qu'on ait demain un adulte responsable. Alzuma Traoré, de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, vos propositions de solutions les, solutions, euh, elles sont les mêmes. Hein. C'est vraiment euh, favoriser d'abord la scolarisation des enfants donc, et surtout aussi œuvrer pour leur maintien dans le système scolaire. Maintenant, pour ceux qui, sont déjà, qui ont déjà quitté ce circuit-là, c'est aussi de voir dans quelle mesure euh, essayer de les, réinsérer, de, les sur le plan socio-professionnel. Il y a d'autres, euh, des apprentissages qu'ils peuvent, euh, même si je pense qu'au niveau de l'État, quand même, il y, a, des dispositions qui sont prises au niveau du, ministère de, l'enseignement professionnel et technique, donc pour récupérer un peu certains enfants et les former pour qu'ils puissent vraiment avoir de quoi travailler et gagner leur vie. Mais ce que aussi ces jeunes-là doivent se dire, c'est que pratiquement tous ceux qu'ils voient là qui sont aujourd'hui en train de gagner leur vie de manière euh, convenable ont d'abord passé par l'école. Et la plupart des gens aussi sont ici des milieux, des milieux ruraux. Donc je pense que eh, l'école là doit être eh, un passage obligé donc pour tous, pour tous ces jeunes enfants-là, pour qu'ils puissent vraiment avoir un travail qui demain va être à la hauteur de leur espérance pour éviter ce que Mohamed Moussa a dit, le fait, c'est-à-dire de, se mettre dans la tête que travailler comme domestique de maison, ça me suffit et que jusqu'à la fin de mes jours, moi, je vais me contenter de ça. Moi, je pense que ça, c'est une forme de fatalité. Il faut aussi avoir une ambition de devenir aujourd'hui quelqu'un, de gagner un travail décent, un travail qui va être à la hauteur de ce qu'on espère. Et je pense que le passage obligé serait l'éducation d'abord ou alors l'enseignement professionnel et technique. Mohamedou, qu'est-ce que les médias peuvent faire d'important en termes de propositions de solutions Je crois que les médias peuvent euh, encore plus, en plus de ce qu'elles font déjà, de nous inviter à ce genre de discussion, de nous trouver dans nos bureaux pour qu'on donne nos avis, faire en sorte que les politiques nationales soient connues. Parfois, même ceux qui sont porteurs de cette politique-là, ils les annoncent seulement et ils font disparaître ça de leur mémoire. Obligez-les à se rappeler de leurs engagements tous les jours. Faites en sorte que euh, les planifications au niveau euh, sectoriel ou sous-sectoriel quand c'est fait, que chacun puisse les connaître, que tous les jours on vienne là-dessus. Si l'État a dit qu'il va mettre un milliard sur l'enfant en 2018, que tous les jours on sache que le milliard là, à quel niveau de progression nous sommes dans euh, sa mise en œuvre, quel soit le nombre d'enfants touchés. Et faites en sorte qu'il ait régulièrement des rapports par rapport à ce que les uns et les autres font, que ce soit nous les ONG, que ce soit l'État. Parce que euh, le manque de lisibilité des actions fait que chacun s'assoit sur euh, l'ignorance des autres. Donc, obligez-nous tous les jours à venir de ce qu'on fait, obligez-nous tous les jours à venir de ce qu'on doit faire, et obligez l'État aussi tous les jours à faire, à, ouvrir son ventre par rapport à ses engagements qu'il a pris. Allô, Issa euh, beaucoup pensent que le travail a été euh, laissé aux seuls ONG au détriment de l'État. Euh, pensez-vous que les ONG seuls peuvent faire le travail Absolument pas. Les ONG en général, ils sont là pour appuyer l'État dans sa démarche ou dans l'orientation politique qu'il se donne. Donc je pense que fondamentalement, il faut que l'État puisse se ressaisir davantage et trouver les moyens, parce que si vraiment on doit payer les impôts, on doit payer les taxes et tout ce qu'on collecte, ça doit revenir fondamentalement en premier lieu vraiment à une sorte euh, de créer les conditions pour le développement de l'ensemble de la société, euh, de la population. Donc, il faudrait que l'État puisse s'engager véritablement en collaboration, évidemment, avec les ONG, les partenaires euh, techniques et financiers, afin de relever vraiment ou d'améliorer les conditions de vie des Nigériens. Et les médias, pour revenir à la première question, les médias, vous avez un rôle fondamental et primordial, c'est celui de la sensibilisation, c'est celui d'investiguer. De, d'amener, comme euh, il vient de le dire, euh, la population ou l'État à faire ressortir au fond qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on a un problème de visibilité. C'est comme si quelque part la cellule communication des uns et des autres n'est pas aussi opérationnelle. Or, si on doit communiquer, ce n'est pas seulement euh, les structures étatiques, mais il faudrait associer les privés et surtout également les, médias communautaires afin de vulgariser les choses. Euh, par exemple, entre parenthèses, euh, le ministère, euh, Alzoum vient de parler du ministère de la formation professionnelle, ils sont en train de mettre un dispositif de récupération des rejetons, si vous voulez, du système classique pour les amener vers les CFM, c'est des centres de formation en métier. Et à l'issue de 2-3 ans, l'enfant, il apprend un métier et il peut se débrouiller. Donc c'est déjà un, tout. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de visibilité. Je pense que c'est pourquoi c'est là où les, eh, médias peuvent intervenir afin de faciliter eh, cette visibilité de ce qui se passe et au niveau de l'État, mais également au niveau des ONG et eh, organismes. Alzuma Traoré, rapidement, qu'est-ce que vous attendez de l'État ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est d'abord, l'État a pris un certain nombre d'engagements par rapport à, ses à, ces différentes politiques c'est que euh, l'État puisse vraiment euh, remplir ce qu'il a pris comme engagement. Et de l'autre côté, comme euh, l'a dit M. Alou Aye, nous, en tant qu'ONG, nous venons en appui à l'État. C'est-à-dire les domaines dans lesquels l'État n'arrive pas à, le faire, nous, nous le faisons. Donc, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc, ce travail-là doit être fait ensemble, État et ONG association. Donc, et cette synergie-là, est la seule, euh, en tout cas, alternative crédible qui peut nous permettre, en tout cas, d'avancer par rapport à ces différents phénomènes. Sinon, que ce soit l'État ou les ONG, chacun à lui seul ne peut euh, faire ce travail-là. Il faut qu'on le fasse ensemble et il faut qu'on crée vraiment un cadre de concertation qui nous permet d'être informés au jour le jour par rapport à l'évolution de ces phénomènes et surtout aussi par rapport à tous les moyens qu'on met dans ce domaine-là pour voir quels sont les résultats que ça engrange. Mohamed Moussa, rapidement, pour finir, vous avez quelque chose à ajouter non, ce que j'ai ajouté, c'est qu'il faudrait que les uns et les autres poursuivent leurs efforts. Il ne faut pas qu'on se fatigue pour penser que la fatalité est plus forte que nous. Je crois que que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des ONG, et même vous, au niveau de la presse, il faut que chacun poursuive et renforce ce qu'il est en train de faire dans le cadre de, la sauvegarde de notre euh, système euh, social, dans le cadre de la sauvegarde ou du développement de notre système économique, dans le cadre de la lutte contre ces différents fléaux qui attaquent surtout les jeunes, que ce soit la violence, que ce soit euh, le travail des enfants dans le sens de l'exploitation. Il faudrait que nous renforcions nos efforts. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Alzuma Traoré, chargé du programme au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Mohamedou Moussa, coordonnateur de l'association de lutte contre le travail des enfants. Nous étions également avec euh, Alou Issa Aye, il est sociologue. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 34 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.